Le président du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, section de Niamey, Sani Shekarawa a recouvré enfin sa liberté au bénéfice du doute. Tel est le verdict du juge en charge du dossier lundi dernier. Pour rappel, Sani Shekarawa a été placé sous mandat de dépôt le 23 décembre dernier. Il était accusé d'attroupement non armé suivi de faits. Sur le plan professionnel, la semaine qui s'achève a été marquée par trois mouvements de grève dans différents domaines. D'abord, cette grève illimitée des enseignants-chercheurs de l'Université des Anders qui revendique le paiement d'arriérés de salaire d'au moins 4 mois. Ensuite, les agents des municipalités de la ville de Niamey étaient également en grève de 5 jours pour le non-paiement de salaire de 7 mois. Mercredi dernier, le Premier ministre Brigitte Raffini a rencontré le maire central et les responsables syndicaux des travailleurs des municipalités afin de trouver une issue heureuse à la situation. La substance de cette rencontre avec Ayoub Haruna Korombe, coordinateur des sections Saint-Tractin de la ville de Niamey. Pour redémarrer le travail au niveau des services de la ville de Niamey, nous avons demandé au moins de nous faire trois mois de salaire dans le Premier ministre nous a fait savoir que ce sera très difficile compte tenu de la situation actuelle de trésorerie. Ce qu'il nous conseille, les maires et les syndicalistes, d'aller créer un climat de confiance entre nous et de voir au niveau de nos recettes propres comment faire pour améliorer les recettes afin de pouvoir payer les salaires. Par rapport à cela, le Premier ministre lui a dit au maire, président du conseil de ville, que non, il n'a qu'à un peu soulever le pied sur la pédale des investissements. Était également en grève du lundi 23 au vendredi 27 janvier les médecins spécialistes. Ces derniers demandent toujours la satisfaction de la indications qui sont entre autres le rétablissement de l'équité en reconnaissant aux médecins spécialistes nigériens leurs droits correspondant aux années spécialisation 4 à 5 ans qu'ils ont dû suivre après leur doctorat. Au plan sous-régional, le palais des congrès de Niamey a abrité le mardi 24 janvier dernier les travaux de la deuxième conférence extraordinaire des chefs d'État de l'autorité du développement intégré de la région du Liptako-Gourma, une rencontre élargie au ministère des Affaires étrangères et ceux de la défense des pays membres de l'ALG. La conférence a dit de la création d'une force mixte de sécurisation du Liptako Gourma, dont le rôle sera d'assurer un contrôle régulier de l'espace commun des trois pays membres de l'ALG, qui sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et dans le cadre de la coopération, le chef de la délégation de l'Union européenne au Niger, l'ambassadeur Raoul Mateus Paula, était à Agadez mardi pour le lancement du projet PAIRA, qui est le plan d'action à impact économique pour la région d'Agadez. Pour coût global de 8 millions d'euros, ce projet a pour but d'offrir des opportunités d'emploi et d'insertion à tous ceux qui bénéficiaient jadis des retombées financières liées aux migrants. Une autre aide, cette fois-ci, du Fonds monétaire international FMI de 67 milliards de francs CFA de crédit sur trois ans octroyés au Niger. Selon le directeur général adjoint et président par intérim du FMI, M. Mishiro Furusawa, cette convention de crédit signée le 23 janvier rentre dans le cadre de la facilité élargie des crédits. L'objectif visé est de maintenir la stabilité macroéconomique, réduire la pauvreté, mais aussi financer les infrastructures et les dépenses sociales.